asalaama aleykum téléspectateurs téléspectateur Ovision TV di leen di sant di leen gërëm ci seetaan bi ngeen ñuy seetaan tey nag ñu di leen émission bu bees bu tudd découverte nga xam ne dañuy ñëw di découvrir lépp lu xew ci entreprise yi wala ci ferme yi tey par exemple ñu ngi ci ferme euh, d'ornement bu BDD xam na après dinañ ci gën ñëw borom ferme bi ki ñu dalal tay muy Malik Diop dinañ ci gëna léralal euh, li waral ferme bi ak lu tax ñu sos ko tay liñu gëna indi fi nak moy waxtaanee mbirum oryx comme niko actualité bi laajee fan yi ñu xam lu jëm ci ferme ak euh, gazelle yi ak oryx yi comportement bi ñu am ci dëkk bi ak niñu nekké en voie de disparition ci loolu lañ ñëw tay pour indi leen ko pour jëm a waxtaanee jëm ci wàllum yar yar animaux yu melni que oryx ak gazelle et cetera parce que ñom ci ferme bi fi dañuy importer ay euh, animaux yu différentes ay sorte mala bu ne dinañ ko yar fi léegi ñu dem xooli malik xool lu mu ñuy wax ci gazelle Malik Malick Diop dañ koy bàyyi mu présenté wu après mu ñu revenir un peu ci ferme bi Malick ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay Ndiaga salaamaaleykum ñu ah, ñuy seetaan ñëpp yéen a ngi fii ci ferme bi ferme BDD Binta Djigal Diop ak El Hadj Diop responsable ferme bi. ñu ngi lay ziar ferme bi ferme ferme d'ornement. Mhm. Euh, yan xeetu animaux ngeen di am fii ci ferme bon de manière générale euh, ay oiseaux ay euh, antilopes ay gazelles autriche nous avons ngi euh, aussi des pigeons, des poule d'ornement des canards. Tiens yooyu yëpp d'accord ferme bi lu création bi ak ban année ngeen créé. ferme bi ñu créé euh, il y a 10 ans ça c'était donc en 2010. Mhm. non 2010 hein. il y a 10 ans de cela promouvoir une espèce animaux yi. Mhm. et puis développer leen. Mhm manam indi ay mala yoo xam amuñu fi won hmm. mën leen développer. Hmm. ba mën nit yi di ci jariñoo. Hmm. ñu gis daal. promouvoir élevage en quelque sorte. en quelque sorte voilà. d'accord surtout espèces yi nga xam c'est des espèces yi nga xam ne amul fii. ay espèces yu jógee feneen la. ok voilà manam dal da ngeen importer ay animaux. souvent animaux d'accord ñu gis ni tey actualité bi li ñu fi gën a indi mooy affaire du gazelle yi. Ah. ak oryx yi yi nga xam temps yi ñoo nekk ci toile bi def actualité. Mhm. Euh, ñu wan ñu gis ni le ministre de l'environnement environnement da ko jël def ko trans def def ci di ko ci faire réserve privée. ñu mhm. wan ne transport bi jaarul yoon mais en matière de transfert d'animaux, animaux. lan nga ci xam lan nga ci mën a wax ci accident yu mel noonu bañ a mënti am. transfert d'animaux animaux yombul transfert d'animaux sauvages là, wax bu bu normal bi sax yombul waxtama la, bu sauvage bi mhm. transfert d'animaux sauvages tout le monde sait que mënul nek sans risque mhm. mais nak dafa am ay normes mhm. animal sauvage bu nek amna ay normes yo xamni mom moom ko wara transporter cest à dire déjà balaa ñu ñu leen yóbbu war nañ leen créer ay bomo ay liére la yoo xam dañ ko def def ko mu doon lu ndaw nga xam mala bi day dugg ci biir su si duggee du man am élan bo xamné day mëna mbëk pour gañ bopam wala mu mëna a daw yenn distance yi pour gañ wala mu gañ ki kay japp donc lool buñ ko defaree ba lool lépp jaar yoon hmm. amna ay caisse yo xamné ou ay wagon ou ay semi conteneur yo xamné mom c'est fait pour l'adaptation du transport des animaux sauvages et puis ce fait conteneur, c'est des animaux qui sont dans des réserves hmm. amna ay genre pistolet neutralisant yo xamné mom lañ leen di moom lañ leen di tirer pour ñu daanu ñu mën leen jël charger leen tranquillement dugal leen ci caisse yi mooy anesthésie bi quoi ñu anesthésier leen hmm. pour ñu mën a dugg ci caisse yi mën a hmm. voyager sans problème hmm. loolu mooy loolu mooy mais muy wane ne transfert aussi parfois stress da ciy am ak yooyu mais li li demee que ni ci Oryx ñoom dañuy léegi réguler seen seen température yaram mhm. est-ce que transfert boobu jaroon na tey par exemple ñu leen di def ay ñu leen di piqûre ay neutralisant wala ay benn dosage anesthésie bi mhm. ëppul mhm. par rapport ak ak animal bi en fait euh, euh, dans ce cas précipité, nous wax avancé mm-hmm. avancer trop parce qu'on ne sait pas anesthésier. Mm-hmm. on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on n'était pas sur les lieux mm-hmm. ce qu'il y a c'est qu'ils ont transporté des animaux mais nañu am des mais nous, le vrai fond du problème xamuñu ko comme on n'était pas sur les lieux xamuñu avons transporté bon c'est vrai gars nous ñu ngi wax ñu ngi wax mais ñi ils parlent sans connaissance de cause maîtriser wuñu li mais bon ils ont Aujourd'hui, il parle parce que c'est le ministre qui est à l'actualité. C'est ça. Nous attaquons, nous wax, nous wax, nous wax. Mhm. Mais nous devons d'abord le fond du problème. Voilà, nous attaquer, wax, wax, wax, wax, wax, wax. Mhm. Et puis, bon, quoi, nous barrons, nous wax. Comme nous d'abord affaire environnement. Comme nous d'abord animaux sauvages. Comme nous d'abord sur le transfert des animaux sauvages. Mhm. Il parle parce qu'il y a des animaux qui sont morts. Même dans le transport, c'est malais dur ben ben ben firnde. Dans quelques jours, on va vers la Tabaski. Dès Rome d'Arali del xool ñaata xar yu dee la ñuy sànni ci suuf personne ne parle de ça on n'en parle pas personne les environnementalistes les nangam nangam yuy kaas nañ dem nañ dem wax la gazelle bu dee ak xar bu dee c'est la même chose mala mala la rek donc dañu war a bu fekkee ne juste pour mm-hmm. défendre ay mala yu dee mm-hmm. ak ay animaux mal transportés mm-hmm. donc dañ ko war def de manière générale si chaîne bi yëpp muy animaux sauvage muy lu sauvage ak lu dul sauvage c'est-à-dire tey jii dëkk yi nga xam ne c'est des pays développés mala bi dafa am condition de transport obligatoirement moo nga war a respecté hein. boo respecté rek peine d'emprisonnement ay peine mmh. d'amende ak yu Et noonu dañ lay wax ne la tel malade, vous voyager dans tel type de véhicule tel malade, vous voyagez dans telle température mmh. ñun yooyu fii wuñu ko bon peut-être c'est écrit sur des textes mais duñ ko appliqué ku nekk nu la neex ngay transporter sa mala nu la neex nga yóbboo say tanki takk Mali tout ça c'est interdit. Nous avons toujours ci émission découverte Nous avons ici ngi découvrir ferme d'ornement de BDD qui est à 38 km de Dakar nous avons une réserve privée loolu lan nga ci mën a euh, réserve privée comme nous l'avons dit tout à l'heure une importance mooy dañuy dimbali yenn mala yi à ce que ni ñu leen maanaam ni leen conserver foofu.

créer ay réserve privé yu mag jëlé espèces yi fépp ci aduna indi ko fofu di ko multiplier xam bu leen doon leen bàyyi woon ni mu meloon ci njëlbeen loolu du mën a am ñoom tey multiplier nañ ko ba nga xam ne bari na bari waay boo xam ne ils peuvent se permettre ñuy jaay yàpp bi ci seen restaurant yi fa ah bu mënee oui boo bëggee déguster yeneen yàpp antilope bi foofu c'est autorisé loo xam ne luxe la ñu mën a permettre aussi yeneen dëkk yu mel ni Sénégal comme ñun ñu dem fa tey jënd benn xeetu oryx wala benn xeetu élan wala beneen espèce ñuy woowee ñala boo xam ne amul woon fii bo xamné sa soo waroon jaar ci convention entre état ak état procédure fay da fay goudou trop léegi réserve privée yooyu foofu lañ amé amee njariñ contact direct ngeen am ngén waxtaan am euh, relation commerciale dox na diggante ñu jaay la léegi jaay bi nag dafay tegu si yoon fay tegu ci ay charte yu muy tegu moy manam yow importateur bi da ngay dem si euh, euh ministère de l'environnement environnement sa direction des eaux et forêts wax leen ni nga bëgg a jënd ñu délivrer l'autorisation ñu ne la léegi mala bi buy ñëw fii dafa am tel papier ak tel papier boo xam ne kooku ki lay jaay war na la ko mën a jox nga indi ko nga topp procédure boobu ñoom ñu jaay la yow nga indi tamit def la même chose si sa réserve fii nga mën a multiplier partager ba beneen sénégalais ou un mauritanien ou keneen ku jóge feneen bu moom tamit bu bëggee def lu mel ni yow wala beneen réserve bu mu def nga mën a jël yow si li nga produire nga mën ko jaay moom tam affaire bi mën a yaatu espèce yi gën a bari ñu mën leen conserver comme il faut nature bi développé wu mais bu ñu ko bàyyee si benn benn bàyyi noonu si àll bi braako ñu di yàq il y a quelques ay quelques réserves a des espèces à la longue mhm. ils vont disparaître d'autres ñu leen gisati. ñu mel ni orifice sax dégg naa dafa nekk en de waaw si si bi la euh, convention CITES bi ma donne doon wax mhm. convention Washington. convention Washington mën CITES ou bien convention Washington. voilà waaw moom espèces yi dañ leen classé une catégorie annexe 1 2 3 à 4 yi nga xam ne c'est menacé d'extinction maanaam ñoom bareetuñu bu leen wulé comme il faut dañuy disparaître dans la nature ñu amati ñooñu la ñuy yóbbu annexe 1 manam ça ils sont strictement protégés voilà ñooñu par exemple jaay leen wala déplacé wala joxante bi dafa am ay benn législation c'est réglementé par une législation voilà après nga wacc ñu annexe 2 yi nga xamné c'est moyen euh, nek en extension que 1 bi. dem ci 3 bi ba ci 4 bi. yi nga xamné ne ci si annexe bi mooy espèces yi nga xamné bar nañ bari way bo xamné bi on peut se permettre ñu jaay ko wala ñu lañu lek parce que bu ñu baree ba bari yenn ëpp itam yenn espèce amna espèce espèces yoo xam ne bu ñu baree bari ëpp dañ yàq environnement bi. donc voilà c'est ça. ñu jëm ñu jëm si grand Mamadou Diop ñu lay nuyu. ñu ngi sant bu baax waaw yaay ñu nga xam ne yow frère Malik nga. effectivement yaa nekk à l'extérieur yaay dem ci yenn foire yi. yaay importer yenn animaux yi grand ñing lay nuyu nga di la ziar. ñu lay sant bu baax a baax. waaw la bàyyi nga présenté wu ci ñu ngi lay sétal d'accord man maay Mamadou Diop hein comme ni nga ko waxee je suis euh frère de Malick Diop ñun ñaar ñooy ñoo diriger famille bi. Mm. donc man maay représenté famille bi à l' international. Mm. donc euh, avec les de dieu je vais un peu partout. Mm. donc euh, fépp fi nga xam ne fii man la bu ñu soxla mën nañ fa dem. et puis conditions yi permettre nañ dañuy dem foofu uti ko. donc moi je suis pour résumer je suis le chargé de des relations et extérieures de la femme. Voilà. Comment ça se passe l'exportation C'est lié à l'étranger, les animaux, les ah. conditions de déplacement. Qu'est-ce qu'on fait en général hmm. Donc, euh, c'est des gens qui connaissent le métier, qui connaissent le travail. Donc, on a des animaux qui font une quarantaine, une quarantaine, soit une quatorzaine. Avant, nous dem pour le temps de tester. Parce que, pour nous, nous sommes en état les conditions yu ñuy pour les modules sanitaires. mesures sanitaires pendant quarantaine à quatorzaine boobu c'est la ñuy est remplie. conditions une fois que ces conditions sont remplies on a des caisses qui sont adaptées des emballages à partir de là ben est chargé, ko le quoi les, c'est quoi. d'accord est-ce que tey gouvernement facilité euh, convention yoy ngay wax est-ce que les mesures toutes les mesures sont respectées et que les dispositions sont prises pour les animaux yoy ci biir dëkk bi. Bah, gouvernement bi en gros ñom lu ñuy def dañuy dañuy autoriser donc si autorisation bi day wax ne man gouvernement Sénégal accepte na animal bi dugg wa animal bi bu dugg mais pour animal boobu dugg il faut mu remplir yi yi conditions sanitaires maintenant bu y yenn une yo xamni koy cité si autorisation bi à partir de là, mon animal. Donc en gros, pour répondre à la question, oui, il nous facilite la chose. On en profite de pour pour remercier, je pense, le docteur Margoulot, moi mon dirigé service vétérinaire, justement. Mm. Donc euh, on a de bonnes relations. Et il y a aussi le commandant Abassonko, qui facilite aussi les autorisations au niveau du ministère de l'Environnement. Voilà, parce que nous, on a affaire avec deux ministères, sanitaire, ministère euh, élevage, élevage, environnement. Élevage, environnement, d'accord. Nous, on a piloté Euh, élevage bi c'est quelque chose de très très très important très très important am na njariñ baxna na na et puis jaamu yàlla daf nek mais dafa laaj xam-xam ak geste bu yaatoo yaatoo yaatoo bo demee ci ni sauvage yi am na xam-xam bu mu laaj ak expertise bo demee ci yenen domestique tamit lolu motax tax ku ci dugg wala képp ku ci def wala nga ci wax war nga maîtriser li ngay def war nga maîtriser tam li ngay wax bañ wax du n'importe quoi bañ wax dans le vide comme ni ñu ko gisee ci ni yi nii fan yu néew yi nii lu ne dégg nañ ko fi ñëpp nekk nañ ay xam-xam ci ñëpp nekk nañ ay ay ay environnementaliste ñëpp nañ ay spécialistes des animaux sauvages et en réalité boo xoolee commentaires ak certains même journalistes yoo xam dañuy bind loo xam ne c'est diamétralement opposé à la réalité nañ moytu loolu parce que kiy liir wala muy déglu xam-xam lay wuti soo ko joxee une information bu baaxul mom day japp ne lolou moy deug par exemple bo xolé première image yi ñu wone ludul ludul ludul dul gazel oryx. xalé bi da kay xol wala papa mu ne lii mooy gazel oryx fu mu dem mu werante mu ne lii oryx donc kok image bu bu baaxul lañ ko jox. di wax wax yo xamni ni tu politique mo nek ci gannaaw. di attaquer ay nit di wax ay wax yo xamni tagu ci dara. c'est ñu ñu moytu yoy daal ñuy wax en connaissance de cause donc am na njëriñ trop. ànd ak suñu grand Mamadou Diop découvrir un peu espèces yi fi nekk yëpp ci biir ferme bi grand Mamadou de mën nañ dem xool effectivement oui avec plaisir avec plaisir bon ñu commence à gauche uh-huh. D'accord. à gauche dañuy am euh, la gazelle d'Orcas uh-huh. bon boo xoolee origine mu ngi nekk euh, le Sahel hein. uh-huh. beaucoup au Niger on trouve ça beaucoup au Niger avant amoon nañ ko Sénégal mais chaque fois, moo tax euh, dañ ko mu moo population bi donc pratiquement Niger lañ koy gën a D'accord. voilà fi mu nekk nii on a un mâle trois femelles ak sen au milieu d'accord mais ñom dañu gis ni dañu gëna ndaw par exemple ils, sont âgés de combien Trois mois hum. et deux ans parce que bu gëna ndaw bi nek ci digi bi hum. ngi autour de en janvier donc euh, autour de 6 7 mois, 5 6 mois d'accord on a découvert yeneen à droite on a la gazelle de Corine ou hum. la gazelle Rufifron c'est différent boo marron c'est plus foncé c'est beaucoup plus prononcé. avec une barbe bu ñuul si. Ah, côté bële moo clair quoi. c'est gën clair voilà c'est ça là c'est beaucoup plus clair. est d'origine fan là. bon ça aussi c'est toujours sahélien mais mhm. plus Nigéria Tchad. Tchad ok Nigéria Tchad voilà. donc yooyu gazelle euh, corine gazelle roufifron. Mhm. ñoom boo mais au niveau local. c'est mhm. maanaam dëkk bi euh, au Nigéria. wala Nigéria ñu ko woowee azawad. azawad amul waxee gaz azawad bii la quoi. ah bii mooy gaz azawad parce que azawad souvent ci xar yi lañ koy dégg. waaw ci xar waaw moom c'est la c'est la zone quoi. d'accord boo xoolee c'est la zone aussi. d'accord d'accord ok ñu dem découvrir. ñu xool benn côté bi ah. d'accord ok ça va. voilà là léegi ñu ngi ci ay. espèces bëy espèce de béy waaw. waaw léegi genre chèvre la il y am plusieurs espèces. Mhm. donc nous commençons par la chèvre boère. Mhm. moi la chèvre moi, chocolat blanc bi. Mhm. origine c'est l'Afrique du Sud. d'accord donc euh, c'est une euh, boère. boère Moi aussi, c'est une langue africaine. Moi signifie berger. berger ok c'est la chèvre du berger. ñoom ñoo ko créé créé. Afrique du Sud lañ ko créé. à partir des chèvres locales lañ dem mélangé. mélanger mélanger am chèvre quoi. d'accord c'est une chèvre de viande pour la chair, quoi Pour la chair. Voilà. Normalement, 130 jusqu'à 150 kg. Voilà, donc ça, c'est le mâle. Mhm. Ça, c'est des femelles. Ici, c'est des femelles. D'accord. Ça, c'est des enfants qui sont nés ici. Donc, c'est les marrons blancs. Mais normalement, on mhm. les mélange. Exceptionnellement, on les a laissés ensemble. D'accord. Voilà, donc chair boyer marron blanc, mhm. les tout rouges Kalahari, comme toujours créé en Afrique du Sud. D'accord. Ils sont, ils sont marrons. Marrons, tout. Marrons, voilà. C'est les Kalahari. C'est rouge. Donc, on on a deux femelles deux femelles, un mâle. Hein? D'accord. Après, ce sont des chefs du Sahel. Ok. Pourquoi ils sont ici Parce qu'ils mm -hmm. ont une expérimentation. hum. -hmm. Faire des croisements entre boers et chèvres locales. Hein? Les chèvres locales là. D'accord. Pour créer, pour améliorer, améliorer les chefs d'ici. Si. Voilà. Parce que c'est la rousse de Maradi. C'est bien connu au Niger. Ça, c'est la rousse, de ah, Maradi. Ah, de chèvres, ah, chèvres locales. Voilà, voilà c'est ça d'accord Les dañ bon pour dañu nekk fii provisoirement. Ah. pour mal boire bi plein. leen. voilà justement pour boire bi plein pour faire des croisements. d'accord après j'ai des am expérimentation yu ñu def ñu si bi. Mhm. après dans daan leen plus tard. Ah. Inch'Allah d'accord on continue. on continue voilà. on hein? des, cerfs. Ce sont des cerfs axis. Uh-huh. Origine, c'est l'Inde, Ceylan, Inde, côté Inde, quoi, hein, en, Asie. Donc, bon, sauf qu'il y a une espèce supplémentaire. C'est un, un nyala, là. Nyala, là. Nyala. Nyala, antilope, là. Donc, il y a une différence entre antilope et nyala. Pardon, antilope et cerf. Cerf, ok. Cerf, bon, c'est l'origine de Afrique. antilope, c'est origine Afrique, là. Okay. différence, c'est cerf ils ont une bop. on appelle ça des voies bois c'est des bois. Mon moom mooy gis nga on appelle ça des bois. ok bois bi tous les ans ils tombent. man la reproduction rek. Mhm. li ñu porte seen bopp day day après des des saxaat Des saxaat voilà. Les bois léegi boo gisee da am un grand mâle. Mhm. deux femelles ak seen homme. waaw léegi bi nekk nii marron gisoo trait c' différent. bokkul des des des tey ben sa benn ñaala. des pointillés mais c'est c'est des voilà des c'est des traits c'est des traits. voilà, des traits voilà. donc c'est différent C'est deux espèces différentes Ben d' accord femelle. Niala, Axis. À côté, on a des dents, on va mhm. progresser. Ok. pareil, c'est dans la famille des cervidés. Mhm. Origine, c'est l'Europe. On voit beaucoup dans les forêts européennes. Hein. Ouais. Parce que nous, on a, on souvent à neige. Donc un grand mâle avec ces deux, femmes, femelles deux jeunes aussi quoi. Donc tous les ans pour atteindre cette maturité sexuelle tous les ans dañu a un petit. Donc cette particularité c'est yi benn des la pas deux. par an par an ben ben porté. portée une portée c'est exceptionnellement ce la ñuy am ñaar. ñaar genre benn la def d'accord une cette reproduction, reproduction de yéex kon. Ouais. bon yéexul parce que bon contrairement au mouton. et mhm. chèvre mën nga am deux. une mhm. portée de deux. Mhm. ñoom benn nga deux. plutôt li ma doon expliqué booy moo nekk. moo nekk nii waaw si kaw. donc plus ils prennent de l'âge plus muy gën a mag grandissent voilà. Ici, nous avons mhm. le mouton d'Orpar. Ok. Voilà, bon relais. avons aussi une origine Afrique du Sud là. Afrique du Sud là. animaux du Sud. Oui, parce que l'Afrique du Sud c'est un pays très intéressant en termes d'élevage. parce que là-bas il y' a ce qu'on appelle le bourgs. Mhm. c'est des Sud-Africains blancs. Mhm. ils sont ils agissent beaucoup dans l'élevage. ils sont très très forts. Moi, dans le temps. dans le passé Il y' a beaucoup de comment on appelle ça. Euh, des Français, des, Anglais, des Allemands. Ils migrent en Afrique du Sud. Ils ne sont jamais repartis. Donc, ils, se sont adonnés à l'agriculture. ils ont fait beaucoup, beaucoup de croisements. ils ont créé beaucoup de races, beaucoup de races sur place. Donc, notamment, le, mouton d'Orpeur. Mhm. Donc, est pareil. Comme la chèvre boer, c'est un animal euh, de viande. L'idée, c'est de créer un animal de viande en un temps record c'est-à-dire mon botem vous avez 4 mois vous nga abattre 4 mois. 4 mois s'il est bien nourri. Mhm. war nga en tout 20 30 kilos. c'est ça le but. d'accord croissant rapide. beaucoup de viande et croissant rapide. d'accord d'accord regarde ils ne sont pas hauts ils sont pas élancés. mais ils sont ils sont bas sur pattes. Mhm. ok ils sont musclés de partout. d'accord voir regardez c'est des muscles regardez le mâle c'est des muscles partout. et puis quand xoolee s'en seen beaucoup de graisse quoi. c'est pas beaucoup de graisse c'est que des muscles. vous avez vu mais par contre bino bi c'est la dumle en fait bon croisement la la. croisement la ak à race bi. ak voilà. des expérimentations. expérimentations parce que j'ai bien remarqué aussi. C'est différent. voilà et ça c'est des. C'est des autres nous sommes fans de l'Afrique du Sud mais bon c'est un pays <laughs> extraordinaire c'est intéressant il y a beaucoup beaucoup d'espèces. ñom ñom aussi Afrique du Sud ngeen leen Afrique du Sud Europe ok Afrique du Sud aussi quoi. ça. le mal bon là il a plus, ils sont un peu mouillés mais les mâle c'est toujours plus foncé. plus foncé plus foncé. femelle bon. plutôt gris quoi plutôt clair gris. D'accord. mel les ay ay xar ça c'est des de France euh, comment dire. Paris aujourd'hui. Hein. Paris et ses alentours. Donc pareil, comme euh, le, mouton d'Orpe, mhm. l'idée aussi c'était de, créer un, mouton qui mhm. grandit vite, avec un gain de poids énorme. Mhm. Donc ça, c'est des animaux qu'on peut utiliser dans le croisement. D'où le côté la domi. Mhm. la sont beaux, ils sont jolis. Mais des fois, croissance, ils vont sont pas les ni ni. est-ce qu'il y a une expérimentation au tey. ben nous commençons ici et puis on a des des collègues amis éleveurs. Mhm. notamment. Tonton Lamine uh-huh. Lui, nous avait pris en mal euh, d'autres Uh uh-huh. Il a fait un croisement avec la demi, mais il a sorti quelque chose d'extraordinaire. Ah oui Voilà, quelque chose de vraiment bien. Vous uh-huh. euh, Voilà. On va aller voir d'autres espèces. À côté aussi, on a le mouton persienne, pers, persienne. Hein. Donc pareil, ça a été, bon, euh, persienne, musulmane, à la base, Afrique de l'Est, hein, et tout ça. Mais sud-africain, ils ont créé, Travail, avons travaillé. C'est un mouton, il a graisse, il y a graisse gisoo li nga gën ñu graisse de porte si gannaaw loolu lépp graisse la waaw ah, graisse la waaw graisse la et puis dafa nekk c'est très politique et puis mom dafa màggam gaaw na quoi d'accord magam gaaw na trop quoi c'est c'est un animal qu'on peut utiliser dans les croisements d'accord maanaam beaucoup ko croisé ak suñu suñu xar yi xar local des des bons produits eh, qui grandissent vite et qui sont qui vont être intéressants pour la production notamment de mouton pour la la tabaski d'accord c'est l'antilope Nilgo. Mhm. D'accord, c'est l'une des rares antilopes qu'on trouve en Inde. Mhm. En général, antilope, c'est un terrain de prédilection, c'est l'Afrique. Beaucoup d'antilopes sont originaires d'Afrique. Mhm. Mais Bini, c'est l'Inde. L'Inde. Inde, Asie. en Inde Bini existe Nilgo avec antilope bi la particularisé en fait. Mon beau le mâle des gris toujours on dirait face. D'accord. Avec la couleur grise. Mhm. Quand ils sont jeunes, ils sont, ils sont marrons. En grandissant, vous commencez à foncer, tu te rends compte que c'est normal. D'accord. Mais bon, après, on les différencier. Voilà, c'est ça. Donc, antilope, c'est intéressant. Pourquoi ah. C'est l'une des rares antilopes qui a deux petits. Ah oui Donc, on a le cerf, axis avec dents, Nous ah. Ils ont porté un petit. Uh-huh. Alors que nous, on a deux. en général, on a deux. Ils font des portées de deux. Enfin, euh, ben, en nous avons les élans du Cap. Uh Élans du Cap, comme son nom l'indique, l'origine c'est le Cap hein, en Afrique du Sud. sud-sud, hein. Donc, euh, on a un boule, hein, un grand mâle, on les appelle des boules aussi. Un mâle, deux femelles, accent deux d'hommes. Hein. Uh-huh. Donc ceux-là, ils ont moins d'un an, les deux qui sont au milieu. Les femelles C'est un couple. C'est un couple, C'est un couple, c'est là, mën nañu wax ne mooy antilope bi gën mag moom ak élan de derby. D'accord. d' accord mâle yi dem ba une tonne. ah oui il peut poser jusqu'à une tonne. oui parce que mâle bi quand même bu mag la. ñu waaw voilà il est voilà si si il est vraiment massif quoi On na dem ba une tonne quoi et puis bon bu ñu ko gënoon nourrir. il peut être encore beaucoup plus gros beaucoup plus musclé. beaucoup beaucoup plus musclé. donc euh, boule bi moo nekk noonu les femelles ñoo nekk ni. ah. Hein. boo xoolee mâle bi il est plus foncé en couleur. il est plus foncé en couleur. il est plus foncé en couleur dafa dafa gëna gris quoi. dafa gëna gris wa dafa gëna gris. Ah, dafa gris xaw ko mais macha allah. et puis c'est c'est ben c'est entre entre bo xam ne dañ koy facilement. Mhm. bo démé des des pays comme euh, en Afrique australe la Rhodésie tout ça. et Zimbabwe Namibie. dañ koy croiser ak euh, les les les vaches les vaches locales. ah oui ouais si si d'utiliser utiliser meew mi di quoi. D'accord. Vous savez, si j'avais des mangos, moi, je fais des mangues. D'accord. D'accord. aussi, bon, là. Vous avons des aussi Lama aussi, oui, effectivement. Là, on va quitter provisoirement l'Afrique du Sud. Hein. Ouais. le matin, c'est la. <laughs> du Pérou Ça, Pérou, Bolivie, tout ça, ouais. C'est l'Amérique du Sud. Hein. Ouais, C'est l'Amérique du Sud dans les montagnes, Il les bien Donc, euh, ce bébé, il est né pendant la foire. Ah, ok. la foire, le salon de l'élevage en, janvier. Quel salon de l'élevage Salon de l'élevage, pendant le salon. C'est bien ça, là, hein. Boudakar. Dakar, oui, il est ah né. là. oui? Il doit avoir quoi 6, 5, 6 mois 5 mois. 5 mois, c'est ça. Ouais. Donc c'est un couple, hein, mâle-femelle, c'est important. Oui, Nagi, aussi. Oui, Naki, on a des, c'est des vaches euh, laitières. Allez, ah, y un petit. Nous allons vous présenter, wow. tu vois Holstein, c'est le noir et blanc. Noir et blanc, oui. Voilà. Il m'a dit Hollande, quoi Oui, Holstein, Hollande, c'est ça. Hollande, Hollande, France, on peut partir, C'est les cerfs d'Europe d'Europe, voilà. C'est toujours dans la famille des cervidés. Souvenez-vous, mhm. je vous avais dit qu'il y a une différence entre les cervidés et mhm. les antilopes. D'accord. Deux familles différentes. Cervidés, mhm. ils ont toujours nommé propre bois. Bois, ils tombé tous les ans. D'accord. Bis, c'est dans la famille des cervidés, c'est le serre à la ou serre d'Europe. serre d'Europe On les ñu dans les forêts européennes là, avec seen. seen bois yi voilà Nous ñooy def ce qu'on appelle nous ñooy yuuxu. pendant le ruption. si voilà c'est ça donc euh, Ben Mal, ak Ben, benn femelle c'est un jeune c'est un jeune mâle. Uh-huh. il s'est blessé euh, il y a quelques jours. Uh-huh. si bois bi gis nga bois yi ñu ñu. waaw waaw si dafa mel ni bois bi dafa damm la. dafa damm voilà c'est ça mais bon c'est c'est des choses qui arrivent de toute façon bois bi après un an les, day quoi. si si bu daanoo d'accord ok ok je pense qu'on a fait le tour. ouais ouais encourage aussi pour le pour le boulot. oui oui euh, gis nañ ni fii vraiment liggéey bu yaatu moo fi nekk. aussi uh-huh. que boo mënee ku meuna dem tay ba ñew taxawal lu melni. Mm-hmm. est-ce que yene a am ay ndimbal ci nguur gi. Euh. est-ce que yene ñu ngi leen subventionné côté élevage côté ministère de l'élevage etc. ben jusque là avec l'aide de Dieu nous nous allons doucement avec nos nos propres moyens. Nous ñoo demoon suñu bopp quoi. Uh-huh. bon moi j'aime pas bon c'est mon c'est avis hein. ah, ah. dans tous les pays. Ah. c'est vrai il faut il faut accompagner les gars mais il faut pas toujours attendre l'État. c'est vrai y en a qui n'ont pas de moyens. qui ont besoin d'être accompagnés. Mhm. mais le plus important à mon initiative bi travailler à fond. à l'État reconnaître que ligue mhm. Y solo emploi accompagner ça c'est bien pour l'instant, on y va avec nos propres moyens. C'est vrai, un accompagnement serait bien aussi, mhm. mais pour l'instant, on n'a pas d'aide d'État. on y va doucement, lentement et sûrement. Inch'Allah. donc les moo continuent suñu émission ci ferme bi découvrir Avec ak euh, grand Malik Malik Diop. Mhm. ak suñu grand mamou Diop. Je vous remercie beaucoup. remercier bu baax à di leen encourager. ci liggéey bu yaatu bi élevage jëm wane tamit euh, yenn espèces yi fi nekk ñu gën leen a euh, promouvoir dëkk bi nit ñi gën ko xam xam nañ tey oryx njëriñ njëriñam ak seer yi yëpp yi fi nekk ci ay animaux ñu leen jox dig daje ba beneen émission incha allah. merci merci beaucoup